Nous allons maintenant écouter la réponse de M. le ministre des Forces armées. Nous allons appeler le Forces mon général, le corps d'armée, encore un honneur pour les pétanés militaires de Saint-Louis, de vous recevoir pour récompenser ces meilleurs élèves 2019 par leur performance au niveau pédagogique, mais aussi nous allons commencer la lecture des puces spéciaux pour annoncer la enveloppe de 3 millions de francs CFA aux majeurs des classes, mais aussi aux enfants de troupe qui sont distingués dans, dans la même lancée. Un prix spécial à un enfant de troupe, particulièrement brillant. Il a également obtenu le premier prix des sciences de la vie, le premier prix d'histoire et de géographie. Le... Il s'agit de l'enfant de fois une gagnant. Le prix sera réuni par le premier prix de composition française, le premier prix de DIA et le prix sera remis par et qui s'est distingué au concours national de droit de l'homme. Et ce prix sera remis par M. l'adjoint au gouvernement. sélectionné pour continuer ses études à Singapour. Il s'agit de l'enfant de groupe Mohamed et le... à deux enfants de tout. par le commissaire divisionnaire Mamsi Ndour, ancien enfant de toute promotion en 1980. par là, par là. Question. Premier prix des sciences de la vie et de la terre. Let's do it. un billet d'avion Dakar, Paris, Dakar. Pour une semaine. millions de francs CFA. je voudrais féliciter le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Chagui, euh, pour euh, l'attention particulière qu'il apporte euh, à cette école d'excellence. Et en profiter aussi pour féliciter le commandant de l'école, le corps professoral, tout l'encadrement pour le travail remarquable qu'ils avaient euh, qui a permis à cette école de garder sa renommée à la fois nationale et internationale. je voudrais aussi euh, demander aux élèves de persévérer dans l'effort parce que cette école a formé beaucoup de cadres qui aujourd'hui servent au plus haut niveau de l'État et dans tous les départements sur le plan euh, économique, social et culturel du pays. je leur souhaite donc bonne, euh, de bonnes études pour qu'ils puissent eux aussi jouer euh, demain un rôle important dans le processus de développement du pays. en euh, addition, le chef de, le chef, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, M. Chagui, qui taxawam ci école euh, bi nga xamné moy euh, école britannique militaire di féliciter le commandant de l'école corps professionnel bi ak euh, particulièrement élèves tamit di len encourager ci li nga xamné dafa am solo moy di et ñu mëna a mëna mën servir seen réew ndax ñu bare jaar nañu fi ñu ngi ci ay structures yu bare ci gouvernement ci direction yi ci privé ci dans le commerce ci diplomatie ñom ñëpp jaar nañu fi ci donc euh, féliciter particulièrement encadrement bi ndax euh, ak professeur yi euh, def nañu seen waar té di leen wax ni tamit que le ministre des forces armées nous euh, ngi une disposition de la wax c'est disponibilité ak euh, mon soutien pour que nous euh, puissions continuer ce que nous avons